forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum forum, forum, forum, du studio Kalamkou parlions hier des différents types de cancers et leur traitement. Aujourd'hui, nous débattrons de l'excision et de ses multiples conséquences à l'occasion de la 14e journée mondiale contre l'excision qui a été célébrée lundi dernier. Euh, vous êtes bien en direct sur le studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien, le forum des studios Kalangou. Il est 18h15 minutes. C'est avec plaisir que je partage ce temps d'antenne avec vous, Diallo Mariama Kenda. 15 millions de fillettes dans le monde subiraient une forme de mutilation génitale féminine, MJF, chaque année affirme l'ONU. Selon l'UNICEF, 200 millions de femmes sont exciser des pratiques qui, outre des troubles sexuels et psychologiques, peuvent engendrer des complications graves pour la santé et parfois mortelles. Nous découvrirons tout de suite les raisons avancées par les tenants de cette pratique et les conséquences sur les femmes mutilées sexuellement. Bonsoir et bienvenue. Pour cela, je reçois pour vous comme invité M. Amadou Moumouni Soumaïla, chargé de programme du CONIPRACT et le Cheikh Aboubakar Barham. Merci, Cheikh, et bonsoir. Bonsoir, madame. Euh, bonsoir, monsieur Amadou. Bonsoir, madame. Merci également euh, d'avoir effectué le déplacement. Le CONIPRACT, Comité nigérien pour les pratiques traditionnelles ayant effet sur les femmes et les enfants, est pratiquement la seule organisation féminine qui lutte au Niger contre cette pratique. De combien de femmes parlons-nous dans notre pays, euh, M. Amadou euh, euh eh, Bonjour Madame Mariama, de nous avoir donné l'honneur de venir euh, partager avec vous nous, les expériences que le CONIPRAT a eu à dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui sont une pratique courante au Niger, mais dont beaucoup de, personnes ignorent. Et comme vous, venez de le dire, le comité, le CONIPRAT, qui est le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles et un effet sur la santé des femmes et des enfants, est une ONG qui a été créée depuis 1990. Donc euh, aujourd'hui 27 ans que le CONIPRAT est en train de lutter contre les mutilations génitales féminines. Et de par euh, la création de l'ONG, on était à 5% des femmes au plan national qui ont subi la pratique de l'excision en 1998 selon l'EDSN. Et en 2012, aujourd'hui, selon le dernier assessment, on est tombé à 2%. Donc ça veut dire que beaucoup est en train d'être fait. Donc euh, on a réduit significativement le taux de la prévalence des femmes qui ont subi la pratique de l'excision. Et je pense bien que si on reprend encore euh, l'enquête, on va tomber à 1%. Je le souhaite quand même. Et cette enquête est attendue pour euh, le mois de février, c'est bien cela Bon, l'enquête, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on l'attend de toutes les façons. Nous sommes associés pour travailler avec l'INS, qui est l'organe chargé de faire l'enquête. c'était lors de l'entretien à l'occasion de cette journée, euh, la, la, secrétaire exécutive qui a donc annoncé que cette enquête était attendue pour euh, bien sûr le mois de février. C'est une bonne nouvelle. <laughs> D'accord. Euh, donc ça veut dire que ces chiffres ont, vraiment baissé. Effectivement. Échec Bahram et certaines personnes lient l'excision à l'islam. Qu'en est-il réellement? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager, le prophète Muhammad sa famille et ses fidèles compagnons. merci à vous, madame, et merci surtout au studio Kalangu euh, de nous avoir fait l'honneur de nous inviter dans ce studio magnifique pour euh, débattre d'un sujet euh, très important, à savoir l'excision. effectivement, euh, la question de l'excision est une question euh, que beaucoup de personnes lient souvent euh, à la religion. Et ce n'est pas sans raison, dans la mesure où, dans les livres de l'islam, vous verrez que on renvoie la tradition de faire l'excision, ou en tout cas toutes les formes d'ablation, euh, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, euh, vous verrez que cette tradition est renvoyée à ce qu'en islam on appelle la fitra. La fitra, c'est quoi C'est l'ensemble des habitudes ou bien des traditions euh, qui ont été héritées des autres prophètes qui ont précédé le messager d'Allah ces prophètes ont laissé un certain nombre de pratiques. Euh, en tout cas, ils ont rapporté un certain nombre de pratiques euh, que les musulmans, euh, pour certains, ont, ont essayé d'adopter. vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble, la plupart des pratiques que les, gens font à la Mecque, telles que le tour autour de la Kaaba, les diamarates, etc., c'est des pratique qui remontent au, prophète Abraham, par exemple. Donc, euh, en islam, euh, il est clair que ce n'est pas l'islam qui a amené l'exclusion. l'excision, euh, tout comme la circoncision d'ailleurs, puisque les textes le disent clairement que c'est des traditions héritées des, des anciens prophètes. cela dit, en islam, ou bien en tout cas, il y a des musulmans qui pratiquent euh, les deux formes, en tout cas chez l'homme et chez la femme. Alors, Cheikh, permettez que je, je, vous arrête. Donc, nous avons donc euh, euh, bien noté que ce n'est pas une pratique islamique. Nous reviendrons sur euh, peut-être d'éventuelles raisons qui pousseraient l'islam à accepter ou à ne pas accepter cette pratique. nous allons tout de suite découvrir ce que signifie l'excision. Je sais que beaucoup de fois vous avez entendu ce mot. Scientifiquement, qu'est-ce qu'il signifie Nous avons pour cela interrogé le docteur il y a Outier, gynécologue euh, obstétricien. Euh, on l'écoute. Qu'est-ce qu'on entend par mutilation génitale féminine En fait, c'est une ablation ou totale ou partielle donc du clitoris. Quand on parle de l'ablation totale, c'est-à-dire que c'est tous les clitoris qu'ils ont enlevés. L'ablation partielle, en réalité, et même ces criminels-là ne savent pas, ils ont laissé une partie. Mais sinon, dans leur objectif, il faut complètement enlever les clitoris. Et c'est ça qui veut dire qu'ablation partielle, laisser une partie et totale complètement à Alors quand vous parlez de, de, ces chirurgiens, vous parlez certainement de celles mêmes hein, qui, qui font la pratique de l'excision. En réalité, ces femmes de fois n'ont aucune notion de, de, chirurgie. Oui, en fait, là où se trouve le clitoris, c'est une zone hypervascularisée. Qu'est-ce qu'on appelle hypervascularisée C'est vraiment là où, dès que tu touches, ça saigne. Même nous, souvent, en cas d'accouchement et qu'il y a une déchirure du périnée antérieur, nous avons tous les problèmes du monde pour arrêter les séments, pour faire les Et eux, ces gens-là qui n'ont aucune notion de chirurgie, ils partent dans cette zone-là dangereuse qui saigne à moindre contact. Imaginez la suite. Ça veut dire que le risque immédiat, c'est d'avoir l'hémorragie cataclysmique. Donc il y a les deux immédiats qui surviennent. Et au cas même où ils arrivent à juguler avec euh, toute la gymnastique encore des produits qui ne sont pas ça, on essaie de tamponner avec des, euh, feuilles, de n'importe quoi, parce que rien que l'instrument qui a servi à cette chirurgie pas stérile. Et maintenant, c'est les conséquences immédiates, l'hémorragie qui peuvent tuer la fille ou la victime en un laps de temps. C'était le docteur Outej, gynécologue obstétricien. Amadou, monsieur Amadou, euh, Moumouni, le Conipract a certainement rencontré des femmes excisées. Nous venons, vous venez d'entendre cette définition euh, de l'excision. Dites-nous euh, où et dans quelles conditions vous avez trouvé ces femmes. Ok, et dans les projets que euh, nous, mettons en œuvre dans les contrées dans lesquelles la pratique se fait, c'est-à-dire euh, la région de Tilaberi et la région de Difa, qui sont vraiment des, les contrées dans lesquelles la pratique de l'excision se fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la pratique de l'excision, ce n'est pas tous les ethnies qui le font. C'est seulement une partie des ethnies qui sont les, Arabes choix les euh, on va venir, on va revenir sur les détails de ces, de ces ethnies un peu plus tard. Euh, et là, dites-nous euh, physiquement, selon cette définition de, de, l'excision que nous venons d'entendre, est-ce que le Kunipat a été en contact avec, avec ces femmes, avec, des, avec des docteurs qui les ont consultées Comment est-ce que vous avez trouvé ces femmes Ok, comme vous l'avez dit, notre travail que nous faisons on ne le fait pas euh, nous seuls. Nous travaillons vraiment avec euh, des, spécialistes en la matière. Donc, euh, comme le docteur a eu à le dire dans sa définition, nous-mêmes, quand, on parle quand on parle sur le terrain, évidemment, c'est ce que les femmes nous disaient, c'est une ablation partielle ou totale de l'organe génital, soit du clitoris, une partie du clitoris ou bien toute la totalité du clitoris, soit les grandes lèvres ou bien toutes les grandes lèvres, ou bien soit le clitoris, les grandes lèvres, y compris les petites lèvres. Voilà ce que les femmes nous disaient. Il y a des femmes qui, qui ont subi cette forme, et il y a d'autres aussi que juste c'est le type 1 qu'ils ont subi. Donc vraiment, c'est comme ça. Et, et le type 1, c'est... Le type 1, c'est juste on effleure le clitoris. Et le type 2, on effleure et le clitoris, les petites lèvres et aussi les grandes lèvres. Et le type 3, c'est vraiment la totalité qu'on enlève. Le clitoris, les grandes lèvres et les petites lèvres. C'est ce qu'on appelle l'infibulation. Mais nous, heureusement, chez nous, il n'existe pas. Au Niger Au Niger. Heureusement pour nous, ça n'existe pas. Parce que, et là où le, il y a plus de mal, si on enlève tous ces organes-là et on coud encore, ne, se, ne serait-ce que laisser une partie de l'orifice là où va uriner la femme, ou bien là où va passer les, les menstrues. Vous voyez, heureusement pour nous que nous, chez nous, cette pratique-là n'existe pas. Ce type-là n'existe pas plutôt. Alors, Cheikh Aboubakar, euh, pour reprendre là où nous, vous en étiez, l'islam, certes, n'a pas, et, donc étrangère à cette pratique, mais quel est le regard de, l'islam, euh, euh, que l'islam porte sur cette pratique au vu de ce que vous venez d'entendre Effectivement, comme l'a si bien dit euh, notre ami, euh, chez les musulmans aussi, en tout cas dans les livres des musulmans, euh, il est fait allusion à quatre types d'ablations, comme il l'a dit. Donc, je vous épargne les détails. sachez que la forme que certains attribuent au messager d'Allah, c'est celle qui consiste juste à effleurer, comme il, a dit en tout cas, à, à, couper ce, qui, ce qui dépasse, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils disent. Donc, euh, le regard de l'islam sur cette pratique est que euh, c'est un regard mitigé, il faut le dire, dans la mesure où les oulémas sont de deux catégories une première catégorie euh, qui, qui font de l'excision euh, une nécessité, voire une obligation. Parmi eux, il y a l'imam Malik. Qui est imam Malik C'est l'un des quatre imams de des écoles de jurisprudence en islam, les mazhabas comme on dit. L'imam Maliki, euh, c'est même l'un des plus durs à la matière qui en fait une obligation euh, très forte. Il dit, par exemple, que euh, c'est lui ou bien, par exemple, parlant des hommes, il dit un homme qui n'a pas suivi la circoncision, par exemple, ne peut même pas prononcer la profession de, de foi pour être musulman alors. Donc il dit aussi qu'il ne peut pas être un imam. Donc, pour lui, c'est la même chose pour l'exclusion de la, de, la femme aussi. Il en fait une obligation. Mais il y a d'autres catégories de, marabouts pour lesquels ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une nécessité. Vous voyez Et ils sont très très nombreux. Même dans le contexte d'aujourd'hui, ils sont nombreux. Mais est-ce que ça fait partie de la sunna ou bien ça ne fait pas partie de la sunna Bon, en tout cas, il y a un ou deux hadiths euh, qui circulent, euh, qui sont attribués au prophète Mohammed qui disait à une exciseuse ne coupe pas euh, sévèrement. La tanhaki, c'est-à-dire ne coupe pas profondément, ne coupe pas très profond, quelque chose comme ça. mais nulle part, il ne dit que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, l'a fait. Ou l'a fait à une de ses filles, ou à une de ses femmes, en tout cas, les hadiths n'existent pas. Le Coran, n'en parlons pas. Le, Coran n'en parle nulle part. Donc voilà un peu le regard. Ça veut dire que c'est une tradition. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une tradition qui remonte avant même l'islam, mais que les musulmans ont essayé d'adopter. Vous voyez que les savants sont partagés en deux camps. Un groupe, comme Imam Maliki, comme Rabia, comme Shabi, كوم يحيى بن سعيد الأنصاري إيه، كوم أوزاعي كوم شافعي كوم إمام أحمد ils ont tous dit que c'est une nécessité. Alors, alors chèque, euh, si c'est si une nécessité pour ces savants, nous allons savoir pourquoi. Il y a certainement des raisons qui poussent ces savants à avancer cela. Nous allons y revenir. Et hormis les conséquences immédiates évoquées par euh, le docteur Elia Ouché, gynécologue obstétricien, ces femmes euh, se retrouvant dans cette situation rencontrent d'autres problèmes si même ça s'est passé, il y a ce qu'on appelle l'infection. Ça peut s'infecter. La victime peut mourir de septicémie. Après ça, il y a ce qu'on appelle deux conséquences qui sont là, qui sont patentes. Le traumatisme, il est physique et il est psychologique. Alors, docteur, dites-nous en réalité le rôle de, de cet organe du clitoris. Quel rôle joue cet organe Moi, je dis les mutilations génitales féminines, c'est une atteinte aux droits humains. Ça veut dire que vous êtes en train de détruire une personne vivante. Vous avez enlevé quelque chose d'essentiel pour un être humain qui permet l'épanouissement la jouissance, parce que les clitoris ils jouent le même rôle que les pénis. C'est ce qu'on appelle un organe érectile. C'est cet organe-là qui procure le plaisir et le désir sexuel d'une femme. Une fois que vous enlevez le plaisir et le désir sexuel d'une femme, c'est que vous l'avez assassinée sexuellement parce qu'elle n'a plus envie, même si vous caressez cette femme-là, elle n'aura pas l'orgasme. Elle est là comme vraiment un Et en faisant cette ablation totale ou partielle, il y a ce qu'on appelle un point G qui procure la sensibilité, la sexualité, l'organisme, le désir et les plaisirs sexuels d'une femme. Et en raclant le clitoris, elle enlève cette partie essentielle. Donc vous voyez les drames, vous voyez ce que ça fait comme traumatisme, comme terrorisme psychologique de cette femme-là qui, elle ne sait même pas sur quoi la sexualité. Est-ce que si vous l'avez dit, mais je repose la question parce que on entend euh, certaines personnes dire qu'une femme qui a été excisée ne ressent pas de plaisir sexuel, d'autres disent c'est faux. Qu'en est-il Scientifiquement, c'est démontré. Quand vous enlevez les clitoris, c'est que vous enlevez la sexualité chez la femme vous avez complètement détruit le plaisir et le désir sexuel chez cette femme. Et quand, ce que vous avez dit au début, quand c'est une ablation partielle Là, elle répond, mais moyennement. Ça à dire que là aussi, c'est établi qu'elle n'a pas une sexualité euh, complète. complète. Euh, docteur a Ouché, gynécologue, euh, donc, qui au fur et à mesure, va donc nous éclairer sur euh, euh, cette euh, situation. Monsieur Amadou, est-ce que vous avez rencontré des femmes qui ont témoigné de cet état de fait et des femmes se sont confiées à vous ah Oui, effectivement, comme le docteur l'a si bien dit, hein, c'est vraiment l'organe essentiel de la femme. Et nous, dans nos, dans nos interventions, on rencontre les femmes quand on les sensibilise. Mais vous savez, eh, le problème de, notre population, c'est des, populations analphabètes. Ceux qui ne font pas le lien entre la mutilation et ceux qu'ils sont en train de vivre dans leur foyer. Mais lors des sensibilisations, quand on leur parle un peu de ce que c'est que les MGF, de ce que c'est eh, l'organe qu'on est en train d'enlever là, et c'est-à-dire le travail qu'ils fait, le rôle, le rôle qu'il joue, c'est-à-dire ils nous disent, dans ce cas, c'est pourquoi, quand je, je consomme mon mariage avec mon mari, je ne ressens rien. Ça veut dire que, eux, pour eux, c'est juste, de fait, c'est comme euh, notre population et aussi des populations, comme je l'ai dit, analphabètes. On fait le lien entre la tradition, c'est-à-dire euh, la chimie noire, comme on le dit. Dès que quelque chose t'arrive, tu dis, soit c'est on t'a jeté du sort, ou bien c'est quelque chose qui t'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement lors de, ces sensibilisations Comment vous prenez-vous pour, pour intervenir euh, directement Est-ce que souvent vous vous êtes même confronté à des situations où vous avez euh, dû intervenir Bon, c'est-à-dire, comme je le dis, hein, euh, les gens ne font pas le lien. Mais une fois que la sensibilisation, les gens acceptent que nous parlons des MGF, nous leur parlons des MGF dans la généralité, c'est-à-dire les mutilations féminines, le taux de prévalence, les Je veux dire, vous allez avec quoi des, des dépliants, Oui, effectivement. Et si ces femmes ne savent pas lire, euh, de qu'est-ce des projections. On fait des projections parce qu'on a un film qu'on projette, euh, que nous intitulons La Dupérie. Des fois, quand nous projetons ça, mais les gens sont dépassés. Parce que eux, ils ne le vivent pas c'est l'enfant qu'on est en train de mutiler seulement qui est en train de vivre et l'excuseuse aussi qui est en train de commettre l'acte. Mais une fois qu'on les sensibilise, on leur projette le film, vraiment, ils se... c'est-à-dire ils vivent la chose. Et ils nous disent vraiment, eux, à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus faire la pratique de l'excision parce qu'eux, ils ne savent pas que c'est suite à l'excision qu'ils sont en train d'endurer certains faits dans la vie. Parce que quand tu te maries, que tu ne conçois pas ton mariage, tu vas te dire, est-ce que c'est n'est pas mon mari qui n'est pas un homme et justement, par rapport à ça, également, nous allons euh, discuter de cela plus tard. Euh, euh, je me tourne donc vers le, chèque. je, disais donc, est-ce qu'il y a des, indications qui, qui, viendraient montrer, faire un lien entre le fait que certains savants exigent l'excision et d'autres pas Quels sont ces avantages pour ces savants qui, l'exigent S'il y en a, bien sûr. Bon, en tout cas, euh, ils essayent euh, de, donner quelques raisons. Euh, la, première raison, ils disent que donc lorsque le prophète Mohammed a fait ce, commentaire, ça montre que de, de son temps, ça s'est pratiqué, donc il l'a toléré ou il l'a fait sans apporter des de preuves euh, concrètes. Par exemple, le prophète, est-ce qu'il l'a fait à une de ses filles Est-ce qu'il l'a fait à une de ses femmes Ils n'ont pas encore apporté de preuves claires là-dessus. Donc ça veut dire que jusqu'à là, euh, il n'y a pas de preuves qui prouvent que le prophète l'a fait. là, on est d'accord. Oui, d'après le hadith, il y a des preuves qu'il l'a toléré parce qu'il l'a trouvé. C'est tout à fait normal. C'est un prophète tolérant. Il est venu à la Mecque, il a trouvé beaucoup de pratiques païennes qu'on fait autour de la Kaaba. Il a supprimé certains et il a, a laissé certains qui sont là jusque-là. Et l'islam les a purifiés et les a intégrés. Y compris euh, beaucoup de choses qu'on fait autour de la Kaaba et ailleurs. Le prophète les a trouvés, mais s'il les enlève, même, même, les, même la pierre noire qui est là, les gens l'adoraient autrement il l'a gardé, etc. Donc il a trouvé beaucoup de choses pour ne pas désaxer cette société. Le prophète Mohammed a été contraint d'être diplomate, d'accepter ce nombre de choses pour ne pas vraiment de cette société. Donc, euh, d'après ces hadiths, vraiment, euh, c'était ils font ça parce que le messager, il pense qu'il l'a fait ou il l'a toléré. Il n'y a pas d'avantage. Deuxièmement, deuxièmement, ils pensent que c'est pour purifier la femme. C'est ce qu'ils disent. Donc, en écoutant ce que dit notre camarade, avec l'infibulation, avec tous ces menstrues qui ne sont pas évacués, qui ne sont pas nettoyés, moi je pense que eh, la question de pureté n'existe plus. Euh, moi, je pense que euh, euh, la modernité veut que les musulmans regardent les, textes, ou bien en tout cas la tradition, avec, avec un œil euh, approfondie tout en s'inspirant vraiment du Coran, puisque le Coran n'en parle pas. Les hadiths, pas très clairement. Le message d'Allah, il n'y a nulle part qu'il l'a fait. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que la preuve, la euh, conséquence, les musulmans sont divisés, les savants sont divisés. Et quand les savants sont divisés sur une question, ça veut dire que c'est même une ouverture pour pouvoir examiner les bien fondés de cette question si c'est fondé ou bien si ça va avec le contexte dans lequel vivent les musulmans, on peut continuer à les Si ça ne va pas avec le contexte, on l'abandonne. Alors, cher, je vous pose la question est-ce que cette pratique aujourd'hui euh, répond au contexte dans lequel euh, vivent les musulmans Moi, je dis non, dans la mesure où nous, on ne le pratique pas au Niger. Chez nous, dans la région de Dosso, à Tchota, ailleurs, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais pratiqué. Quand tu, tu, en parles, les gens te demandent mais c'est quoi jusqu'au Sénégal où nous avons des, ramifications. Euh, c'est à Kaolak, avec euh, la famille Nias, etc. Toutes les, autres grandes familles religieuses au Sénégal, euh, auxquelles nous sommes liés, jusqu'au Maroc. On ignore ces, pratiques. Et pourtant, c'est des gens qui font partie de la sunna. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques euh, que les gens euh, n'ont pas forcément adoptées et, ça n'a pas forcément une grande conséquence sur euh, leur foi ni sur la bonne pratique de la religion. Selon toujours le docteur Ilia Outé, gynécologue, les femmes victimes d'excision courent de façon permanente des risques. Docteur, j'imagine que vous avez eu à être en contact avec ces femmes qui ont été excisées. Dites-nous comment ces femmes, euh, on parle toujours sur le plan physique, bien sûr médical, se présentent. Et généralement, il y a des cas que nous voyons en cas de complications ou bien des cas que nous recevons effectivement pendant l'accouchement. Parce que c'est un accouchement à haut risque. Toute femme excisée qui tombe enceinte, c'est une grossesse à haut risque. Parce que nous avons dit qu'au cas même où ça s'est cicatrisé, il y a ce qu'on appelle une formation d'une fibrose. Et en cas des poussées expulsives, quand la tête arrive à la ville, ça risque d'éclater cette zone encore, qui risque de saigner et on risque de perdre la femme si on ne prend pas de dispositions. Donc là, normalement, quand on voit une femme excisée qui est en train d'accoucher, il faut prendre toutes les dispositions. Quand vous faites l'examen et que vous voyez que l'accouchement présente un risque mortel pour cette victime, elle veut le faire par césarienne. Passer par la césarienne, c'est le moindre mal parce que quand, euh, au niveau de la zone là où ils ont fait l'excision, ça s'éclate, vous avez tous les le pour arrêter l'hémorragie. Maintenant, dans des cas où nous recevons des femmes qui sont arrivées dans un état de septicémie, il faut passer. Septicémie, c'est quoi cest une infection grave qui est allée à un niveau très exagéré. Donc là, c'est une hospitalisation avec euh, triple antibiothérapie avec des produits des toilettes ou les bains de siège avec des permanganates pour arrêter cette euh, infection-là et permettre à la femme de survivre. Maintenant, moi, je lance un appel à ces organisations-là féminines ou à ces sociétés civiles-là ou à tous ceux qui œuvrent dans le but de l'amélioration des conditions de vie de la femme. Allez voir ces criminels-là avec des dessins à l'appui. Là où cette pratique-là, cette euh, néfaste est en train de sévir, il faut aller là-bas avec des preuves à l'appui pour leur montrer les conséquences graves de cette intervention-là. Leur montrer, il faut passer des films. Et maintenant, il faut associer des leaders d'opinion. Vous partez avec les prédicateurs, c'est-à-dire les grands marabouts, les chefs traditionnels, et associez aussi des autorités, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Docteur Ilia Outé, gynécologue, obstétricien. Nous allons aller donc un peu rapidement, euh, Monsieur Amadou Moumouni. Parlons de ces méthodes de dissuasion. Euh, vous êtes parfois peut-être heurté à plusieurs femmes qui excisent euh, ces filles, euh, dont c'est un moyen de revenu. Que leur dites-vous et comment sensibiliser ces populations aux dangers de ces pratiques Est-ce que vous avez eu à, avoir d'autres euh, actions judiciaires peut-être Ok. Dans nos interventions, et les interventions que nous faisons, nous avons vraiment une stratégie, ou bien voire deux mêmes. La première, c'est la reconversion des exigeuses. C'est-à-dire, c'est tout un processus. Sensibiliser toute la population, leur montrer avec des preuves à l'appui, des films, des, des, images aussi, que voilà ce que l'excision est en train d'engendrer. Et quand ça ne marche pas Et quand ça ne marche pas, c'est vraiment la loi. Heureusement, au Niger, on a une loi depuis 2003 qui a été révisée en 2006 qui réprime la pratique de l'excision. Et quand les gens, on, rencontre des résistances, vraiment, on, on part vers les, les juridictions compétentes, on dépose une plainte et on a eu à, déposer trois plaintes et ces personnes-là ont été condamnées à 40 000 francs d'amende et trois mois avec sursis. Vous voyez, non Mais. Et cela a beaucoup joué dans, la régression de cette pratique Je dis oui, je dis non. Parce que vous savez, au Niger, euh, ce n'est pas la répression qui est le moyen le plus dissuasif. Amener la personne à changer de comportement, à comprendre le bien fondé de la chose et à changer. C'est vraiment mieux que de les amener au niveau des, juridictions compétentes. Et mieux, vous savez le problème qui se pose aujourd'hui, quand on amène ces femmes-là, on enferme les femmes et leurs enfants. Vous voyez qu'on est en train de nuire aussi encore aux enfants. Du moment où on est dans une, dans, dans, dans une structure qui est en train de, de, faire la promotion des droits humains, de protéger les enfants. Et quand on enferme, il y a les enfants aussi qui sont là. On va les enfermer encore. Vous, savez, vous voyez nos deux poids, deux mesures. C'est pourquoi on opte beaucoup pour le changement de comportement que la répression. Mais si on rencontre des résistances, vraiment, on part à euh, au niveau des, des juridictions compétentes. Cheikh Aboubakar Barham, quel devrait être le rôle et la responsabilité des leaders musulmans Je crois que les leaders musulmans ont pour rôle d'éclairer la société, de la guider vers son bonheur et non de la guider dans sa perte. Le Coran dit Ne jetez pas votre vie dans le, dans le péril, dans le danger, quelle que soit la forme du danger. Si vraiment, au terme de ces opérations, la vie d'une pauvre femme ou d'une pauvre fille est, mise en danger, je crois que ça, ça contrarie l'islam il n'y a rien à dire dedans. Tout simplement par le désir de, de, quelques-uns de, de maintenir une pratique, euh, une tradition, et on met en danger la vie de quelqu'un. Je pense que l'islam ne le dit pas. Euh, et, vous le dites dans vos prêches, Oui, on le dit. On le dit pratiquement, bon, pas spécialement sur cette question de, décision, parce que je vous dis que chez nous, oh, ça n'a pas sa raison d'être. On ne le, on le connaît pas on ne la connaît pas vraiment. Donc, oh, dans la région de Dosson, on ne la connaît pas. Dans la région même de Niamey, ce n'est pas partout. Donc, oh, dans beaucoup de zones de nos pays. Oh. Mais sachez que les gens, ils disent que c'est aussi, euh, entre autres raisons, je vais y revenir un peu, c'était aussi pour couper le désir de la femme. Alors, c'était pour atteindre... je Cheikh nous allons y revenir, vous l'avez dit, parce que nous allons encore un peu de temps pour écouter euh, le le docteur Sani euh, Jean qui est donc euh, socio-anthropologue. Et donc, euh, au Niger, nous l'avions dit tout à l'heure, l'ampleur de, cette pratique est, quand même réduite. C'est ce qui L'islam donc expliquerait ce faible taux par rapport donc à certains pays de la sous-région. Sani Yahya Janjouna, socio-anthropologue, affirme que, je le disais, c'est parce que le Niger a un fort taux de musulmans. On l'écoute. Au Niger, l'excision en tant que phénomène n'est pas généralisée. D'abord, c'est aussi, et fort heureusement, une pratique qui est en régression. Beaucoup de sociétés l'avaient abandonnée depuis fort longtemps, avant même qu'on ne commence ce combat en termes de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce que nous savons, c'est que certaines sociétés n'avaient pas cette vocation. Deuxième chose, l'islam était venu déjà ne cautionnait pas ou en tout cas n'encourageait pas non plus vraiment cette pratique. Ce qui fait en sorte que déjà les sociétés qui avaient embrassé l'islam depuis un certain temps ne la pratiquaient plus. Alors vous êtes en train de nous dire là que c'est parce que le Niger quelque part a un fort pourcentage euh, de musulmans que cette pratique euh, n'est pas généralisée. C'est effectivement parce qu'il y a une forte proportion de musulmans au Niger que cette pratique n'est pas généralisée. Mais tout de même, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de société musulmane qui ne la pratique pas. Mais elle est beaucoup plus présente dans des sociétés qui ont tardivement embrassé l'islam ou qui en vérité dans le fond ne sont pas dans la grande majorité musulmane. Je ne dirais pas le cas par exemple de certaines sociétés ou certaines ethnies qui se trouveraient à l'ouest du Niger mais en même temps à l'est du Niger. Alors, quelles sont les communautés qui sont les plus touchées par cette pratique Les communautés qui sont les plus concernées, il y a les gourmandis. Il y a cette pratique est aussi observable chez certaines communautés Peul. Elle est encore présente chez certaines couches ethniques chez les Beriberi. On la retrouve chez certains Arabes, moins, moins chez les Hausa, mais dans une certaine mesure, on la retrouve encore chez certains peuples Hausa, sous-groupes ethniques Hausa, notamment dans l'Ader et particulièrement dans la région de Tawa. Sani Yahya socio-anthropologue. Monsieur Amadou Moumouni, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ces communautés citées ou bien il y, en a d'autres encore euh, euh, dont le, le, Sani Yahya, le docteur, n'a pas évoqué Ok, je suis d'accord avec les ethnies, mais je ne suis pas d'accord avec euh, là où il dit que, je vais apporter une précision, quand il dit que le, Niger, parce qu'on est à fort musulman. Si on regarde un peu les pays dans lesquels la pratique se fait, on a l'Égypte. L'Égypte est musulman pourtant ils ont un fort taux. Le Mali, qui est juste à côté, ils sont musulmans, pourtant ils ont un fort taux. Alors que eux, toute la population la pratique. Vous voyez, non donc, euh, moi, je pense bien que c'est pas le lien, parce qu'on est musulman, qu'on est en train d'avoir cette régression-là. Si on est en train d'avoir euh, cette baisse de prévalence, c'est parce que il y a du travail qui est en train d'être fait, parce que les gens sont en train de prendre conscience petit à petit que les mutilations génitales féminines n'est pas une bonne chose pour les jeunes. Mais vous l'avez dit dès le départ, ce pourcentage était faible. il était faible, mais oui, au Mali, par exemple, c'est pas parce qu'on est musulman. Non, c'est parce qu'on est en train de prendre conscience avec des actions qui sont en train d'être mises en œuvre à l'endroit des populations qui sont en train d'être euh, de pratiquer cette, euh, cette pratique. Je vais ajouter un peu par rapport aux ethnies. rapidement. Il a déjà euh, parlé des pôles, les gourmetiers qui ont 63,8% et les pôles qui ont 12,8% aussi. Il y a une une ethnie qu'il n'a pas citée, les courtiers à l'ouest. Mais en ce qui concerne les autres, vraiment, il avait, il avait, il avait parlé. Mais il y a une chose que j'aimerais préciser avec Cheikh. Allez-y. C'est-à-dire, les autres, les autres régions font une autre pratique de MGF, c'est-à-dire le dangouria ou le habizé. Et c'est quoi euh, le dangouria Le dangouria, c'est-à-dire c'est un truc euh, blanchâtre qui, qui sort d'habitude chez les nourrissons et on dit que c'est un dangouria que la femme, la, fille, la jeune fille a, ou bien habise en germain. On dit dangouria en hausa. Donc c'est juste l'organe immunéal que des fois quand l'enfant négatif ça sort. Vous savez quand l'enfant naît son sexe sort, et puis il y a l'organe blanchâtre là qui va sortir, c'est l'hymen. Mais on coupe. On dit qu'il a euh, dangouria ou bien il a habise. Et c'est dangereux aussi, c'est la même chose. C'est dangereux parce que c'est ça, c'est en train de, de, de faire en sorte que beaucoup de filles divorcent. Parce que la fille, on la marie alors qu'elle n'a jamais commis d'homme, connu d'homme. Et le jour de son mariage, son mari dit qu'il euh, avait couché avec d'autres hommes. Alors que c'est l'organe immunéal qu'on est en train d'enlever. Alors, Cheikh Aboubakar Barham, est-ce que vous êtes d'avis que l'islam euh, joue beaucoup pour euh, cette régression J'aurais aimé que Jean-Jean parle d'islam tolérant. Parce que c'est parce que nous avons un islam tolérant au Niger à plus de 90% que euh, cette, cette, pratique n'a pas grand cours. Parce que c'est lié à des traditions, pas forcément à l'islam. Vous voyez, l'Égypte, c'est des pays musulmans, mais il y a des pays musulmans qui sont à, 90-100% musulmans et qui ne, qui ne, la pratiquent pas. Donc, euh, c'est une tradition. Moi, je pense qu'il ne faut pas les lier nécessairement euh, à la religion. Alors, euh, quelles sont les raisons avancées par ces communautés euh, pour pratiquer l'excision Elles sont multiples et diverses. Les raisons doivent être perçues dans le sens de la perception que ces communautés se font de la représentation de la femme, de l'homme, de la vie, de la vie en société en tant que telle. Ces communautés perçoivent, comme dans la plupart des cas les sociétés traditionnelles, leur monde en monde sacré et un monde profane. Ils perçoivent les choses en termes du licite et de l'illicite, en termes du légitime et de légitime, en un mot, en termes du pur et de l'impur. Et c'est ça l'idée maîtresse, pour dire que est pur celui qui répond à ces critères, est considéré comme impur celui qui se retrouverait dans un tel registre. Euh, vous venez d'entendre euh, Sani Jeanjouna, socio-anthropologue. Monsieur Amadou Moumouni, rapidement, très rapidement alors, est-ce que aujourd'hui ces raisons-là vous ont, vous avez peut-être constaté ces raisons sur le terrain? Oui, on a vraiment, on a contacté, constaté, ces, raisons évoquées par le docteur Jean sur le terrain. Parce que des fois, quand on parle chez, d'autres communautés, ils font le lien entre la pratique et les religions. Ils disent que c'est la religion qui l'autorise. Il y a d'autres communautés que c'est vraiment la coutume. Vous voyez, c'est pour appartenir à un groupe ethnique. Il y a d'autres, c'est un rite d'initiation, de passage à l'âge, à l'enfance, à l'adolescence, d'autres à l'adolescence, à l'âge adulte. Il paraît que une femme est excisée, elle a plus de valeur que celle qui n'est pas excisée parce que ça, là, sa dot euh, devient euh, plus chère. Plus Effectivement, parce que les gens sont en train de faire la confusion, parce qu'on dit que la femme qui est excisée est la plus belle des femmes, elle a les plus beaux yeux dans d'autres communautés. Et aussi, au lit, la femme excisée est vraiment, euh, tu te sens plus homme quand tu es avec une femme excisée au lit qu'une femme qui n'est pas excisée. Alors que les gens ne font pas le lien entre la douleur que la femme excisée est en train de sentir au lit, qui l'a fait <laughs> crier, et l'autre qui n'a pas subi d'excision. Parce qu'une fois que la femme est excisée, vous savez, ça devient un peu lisse. L'endroit devient lisse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas euh, comment dire, le clitoris qui joue le rôle de joint pour ouvrir euh, le vagin. Et ça, plus tard, cette femme, elle peut être frustrée et autre. Effectivement, parce que des fois, ils ne veulent même pas à ce que le, mari revienne à la maison, parce que dès que le mari revient à la maison, c'est vraiment tout un tas de... de c'est un calvaire. Et il y a d'autres aussi qui lient la pratique de l'excision à l'hygiène, comme euh, le docteur l'a si bien dit. Et il y a d'autres aussi, c'est pour contrôler la sexualité. C'est pour que la femme soit fidèle à son homme. Alors, Cheikh Aboubakar Barham l'évoquait tout à l'heure, contrôler la sexualité de la femme, raison évoquée par euh, les tenants ou les savants qui, euh, qui sont d'accord euh, pour cette pratique. bon, ils ne disent pas le mot contrôler nécessairement, ils disent atténuer son désir. Pour eux, plus la femme a du désir, plus elle a tendance à sortir de, de, la bonne moralité. Elle est libertine. Elle est libertine, à, à, à, se donner ce qu'on appelle al-fahsha. Donc, euh, euh, l'un dans l'autre, moi je dis que l'islam euh, qu'on pratique aujourd'hui est nécessairement différent de l'islam que nos, nos ancêtres pratiquaient. Pourquoi Parce que nous vivons actuellement dans l'ère de, de, de, de, la connaissance, du savoir, de l'informatique, euh, la connaissance va chez tout le monde à une vitesse éclair. Donc l'islam, il faut qu'on comprenne que l'islam est basé sur deux choses fondamentales. D'abord, le savoir, puisque le Coran est venu avec le premier verset, Iqra, c'est-à-dire qui veut dire Donc, euh, l'islam aussi s'adresse partout à l'intelligence humaine. Donc, euh, il dit dans beaucoup de versets, Peut-être que vous, allez réfléchir. Peut-être que vous allez être intelligent. Donc l'islam s'adresse à notre intelligence, pas à, l'ignorance. Quand des pratiques sont faites par des ignorants, dans des endroits reculés, euh, par des ignorants. Moi, je pense que ça doit vraiment révulser tout bon musulman. que vous avez juste quelques secondes pour dire votre mot de fin parce que nous sommes à la fin de cette émission. Moi, je pense que euh, l'islam au XXIe siècle doit être un islam intelligent, un islam qui respecte le Coran, qui respecte les principes cardinaux de l'islam, mais un islam qui a les yeux ouverts, un islam de savoir, pas un islam de dogme, de, pratiques vraiment euh, sans, qui n'ont aucun rapport avec la connaissance. Monsieur Amadou euh, Moumouni, vous aussi, euh, qu'est-ce que vous vous voudriez dire euh, pour la fin de cette émission Bon, moi, c'est juste un appel pour dire à nos populations que les mutilations génitales féminines, c'est vraiment pas une bonne pratique. C'est vraiment une pratique qui astreint les droits humains. C'est-à-dire, euh, on est en train de, de, comment dire, de marginaliser la femme parce qu'on on lui ôte tout droit de jouir de la vie et aussi vraiment que les gens se mettent au diapason de nous qui sommes acteurs pour nous aider à, abaisser encore le taux de prévalence. Merci, merci infiniment d'avoir effectué le déplacement. J'étais en compagnie du chef Aboubakar Baham et de monsieur Amadou Moumouni Soumaïla, chargé de programme du, du CONIPAT. Merci, fidèles auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission. Au revoir et à très bientôt.